le forum du studio le forum du studio kalam le forum du studio kalam le forum du forum Calamou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du Merci de placer votre confiance en nous en préférant les programmes du studio Kalangou, 18h15 minutes à Niamey et partout au euh, Niger. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Pour ceux qui viennent de nous capter, sachez que vous nous suivez à travers un réseau de 20 radios partenaires disséminés dans les 8 régions du Niger. Les questions qui vous tiennent à cœur, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à cet espace d'échange d'idées. Être avec vous au cœur de vos préoccupations, c'est notre objectif. Restez avec nous. Le forum d'aujourd'hui s'intéressera au travail de la police techniques et scientifiques qui regroupent les services et les activités de la police et de la gendarmerie liées à la recherche et l'identification des auteurs, victimes et parfois témoins d'infractions à part des moyens techniques et scientifiques. Euh, depuis quelques années un certain nombre de fictions consacrées à la police euh, scientifique sont diffusées à la télévision, notamment dans les séries télévisées. Cette police est très sollicitée dans les affaires criminelles ces laboratoires d'analyse sont soumis à un nombre croissant de demandes, euh, d'autant que certains États élargissent les critères de stockage des empreintes ADN des justifiables. Nous allons donc au cours de ce forum quitter la fiction pour plonger dans la réalité. À cet effet, nous avons trois invités, trois spécialistes pour nous édifier. Il s'agit de Monsieur Franck Fortin. Il est expert de la police technique et scientifique pour le compte de ECAP Sahel Niger. Bonsoir, Monsieur Franck. Bonsoir. Avec nous également le commissaire principal de la police, Mustapha Tahirou, directeur de la police technique et scientifique de Niamey. Bonsoir, mon commissaire. Bonsoir. Comme troisième invité, le capitaine de la gendarmerie, yakouba Maman Zaria, chef du fichier central en charge de la police technique et scientifique au Niger. Bonsoir, mon capitaine. Et bonsoir, madame. Eh, chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation afin d'éclairer les lanternes de nos auditeurs sur l'utilité de la police technique et scientifique dans un pays comme le Niger en proie depuis quelques années au terrorisme, au trafic d'armes, de drogue et même au trafic de personnes pour planter le décor, je vous invite à nous faire une présentation succincte de vos services. Nous précisons la date de création et le motif ainsi que des principales missions. Je commence par le commissaire principal de police, Mustafa Tairo, directeur de la police technique et scientifique de Niamey, puisque sa fonction porte le même intitulé que notre sujet du jour. Mon commissaire, présentez-vous, présentez-nous, votre direction et ses démembrements. Euh, merci. Euh, je suis le directeur de la police technique et scientifique et la direction de la police technique et scientifique est l'une des jeunes directions de la police nationale. Donc c'est une direction qui a été créée en 2014 et c'est pour euh, répondre à un besoin. Vous savez que maintenant le Niger fait face à de nouvelles euh, formes de la criminalité euh, que vous venez de citer euh, un peu plus tôt. Donc c'est pour répondre à ce besoin de réponse efficace aux nouvelles formes de la criminalité que le législateur a voulu créer une direction en charge de la police technique et scientifique. Alors, c'est au tour du capitaine du gendarme Yacouba Mabana Zaria, chef du fichier central en charge de la police technique et scientifique au Niger. Mon capitaine, à vous la parole. Oui, en fait, euh, du côté de la gendarmerie, euh, la division du fichier central, parce que dès la création de la gendarmerie, il a été créé au sein de cette institution le service de fichier central et de recherche. Donc ce service a en charge la préservation de tout ce qui est fiche d'identification concernant les individus qui ont eu à poser des actes contraires à la loi, qui ont été interpellés par les unités de, gendarmerie et qui ont fait l'objet de procédures et déférés devant les juges d'instruction. Des fiches sont établies et adressées à la division du fichier central qui est euh, le service habilité à la préservation de ces fiches. Donc, euh, à un moment donné où la gendarmerie était devenue, la gendarmerie nationale était devenue haut commandement de la gendarmerie nationale, il y a eu la création de la division du fichier central. la division du fichier central qui a en charge euh, la signalisation de toutes les personnes interpellées lors des affaires. Donc, euh, les fiches établis par les unités sont adressés au niveau de la division du fichier central qui a plusieurs divisions, euh, directions à son sein. On a euh, le service euh, des recherches judiciaires, on a le service euh, d'extraction des données des données numériques, par exemple l'XRI, on a le service d'Interpol au sein de la gendarmerie. On a aussi le service d'identité judiciaire. Donc tous ces services et le service de la police technique et scientifique qui a en charge la gestion des scènes d'infraction, la recherche des traces et indices sur les scènes d'infraction. Nous terminons ce premier tour de table avec euh, Franck Fortin. Il est expert euh, de la Polytechnique et scientifique pour le compte du Cap Sahel Niger. C'est quoi le Cap Sahel Niger Quelle est sa mission au Niger et quel est votre rôle dans le dispositif ECAP Sahel Niger Alors ECAP Sahel Niger, c'est une mission de l'Union européenne qui a été déployée en août 2012 à Niamey, au Niger, et euh, dont la mission euh, civile euh, est principalement de conseiller de former et euh, d'identifier des projets au profit des forces de sécurité intérieure nigériennes dans le but de les aider à lutter euh, efficacement contre la criminalité organisée et le terrorisme. Voilà. Donc euh, je précise que c'est bien une mission civile. Cette mission, elle est composée principalement d'experts internationaux. Nous sommes 122. ces experts sont composés de policiers, de gendarmes, de civils donc européens, et ainsi que de 55 personnels locaux. Euh, Franck, on reste avec vous. Comment se fait la collaboration entre UCAP Sahel Niger euh, et les forces nigériennes Formation, projet, conseil, comment cette collaboration se fait La collaboration se fait euh, tout à fait naturellement et simplement, c'est-à-dire que quand je parle d'identification de projet, je parle aussi d'identification de besoins des forces de sécurité. Donc euh, nous allons euh, tout simplement à la rencontre euh, de nos partenaires nigériens, que ce soit des gendarmes, des policiers ou des gardes, et on discute un petit peu de leurs besoins et de ce que la mission peut leur apporter dans le cadre de formation, de soutien technique ou opérationnel. Donc une fois ces besoins identifiés, notamment en formation dans un premier temps, on établit un calendrier des formations et puis euh, les types de formations nécessaires au renforcement des capacités des forces de sécurité. Donc euh, il se trouve euh, qu'au Niger, il y avait un besoin en formation de police technique et scientifique de premier niveau, c'est-à-dire des formations qui permettent de gérer des scènes d'infraction de petite et moyenne délinquance. Ça, ce sont les premières formations qui ont été dispensées. Ensuite, on a dispensé des formations d'un deuxième niveau, donc qui permettent de gérer une scène de crime. Voilà. voilà l'objectif, je crois, de, de, ces, cette, euh, de ces formations. Oui. Quels sont les objectifs ah, L'objectif, par exemple, de la formation PTS de niveau 1. Donc, euh, c'est de lutter contre la petite et la moyenne délinquance. Mais euh, comment on lutte On lutte contre la petite et moyenne délinquance en mettant en œuvre tout d'abord des techniques de protection des tracés des indices et en apprenant à relever ces traces et indices sur les scènes d'infraction. Voilà, tous nos stagiaires. Euh, que ce soit euh, des traces biologiques ou des traces papillaires. Ce qu'on appelle des traces papillaires, c'est des traces laissées par les doigts de la main ou par la paume de la main. Voilà, autrement appelé traces digitales, traces palmaires. Quel est le profil de base des bénéficiaires euh, de ces formations Alors le profil de base, euh, ce sera confirmé par mes partenaires nigériens, ce sont euh, donc des policiers, euh, des gendarmes ou des gardes nationaux qui ont vocation à faire des recherches, effectuer des recherches de traces et d'indices dans leurs services respectifs. Donc on a tous les grades, mais la majorité de nos stagiaires, ce sont, ils ont le, rang de sous-officier, mais en général. Voilà. Donc soit euh, ils sont formés dans le cadre euh, de la formation initiale, c'est-à-dire qu'ils sont à l'école de police ou ils sortent tout juste de l'école de police et ils ont vocation à être affectés dans des services de police technique et scientifique. Soit on forme des personnels qui, au cours de leur carrière, désirent euh, se spécialiser ou muter dans un service technique, et donc on leur apprend ces compétences-là. Donc ça, c'est dans le cadre de la formation continue. Alors, euh, faut-il un minimum de, de, background scientifique On pense peut-être au diplôme hein, qui, qui permettent d'accéder au métier de la police euh, scientifique C'est-à-dire que euh, là, je, me, je réponds un petit peu à la place de, mes partenaires parce que moi, je suis avec un faible apport au sein du Niger, mais je m'adapte aux conditions de travail nigériennes. C'est-à-dire que euh, mes partenaires nigériens ont l'habitude euh, de demander un prérequis, on va dire euh, scientifique, auprès de leurs auprès de leurs stagiaires. là, dernièrement, il y a eu une formation à l'École nationale de police de Niamey de 120 fonctionnaires nigériens qui viennent de se terminer d'ailleurs. Et il y a eu des sélections voilà, concernant ce personnel. Je sais que les gendarmes et les policiers ont euh, fait euh, effectuer un test de présélection auprès de tous les candidats. Et les questions dans ce test euh, concernaient des techniques de base en, matière scientifique, en matière biologique, la chimique. Commissaire Mustapha, qu'appelle-t-on police technique et scientifique La différence avec les autres polices alors la police technique et scientifique, c'est la police qui s'occupe essentiellement euh, d'apporter euh, un soutien technique aux enquêtes de police judiciaire. Donc par l'exploitation des traces et indices qui sont trouvés sur les scènes de crime, ce qui exclut euh, les autres polices, notamment le renseignement, la police administrative notamment. Comment procédez-vous une fois sur une scène de crime alors, sur une scène de crime, nous, avant notre arrivée, il y a un travail préalable qui doit être fait par ce qu'on appelle euh, les agents premiers intervenants, qui doivent faire ce qu'on appelle le gel des lieux. Le gel des lieux, grosso modo, en quoi est-ce qu'il consiste C'est pour préserver la scène, pour que euh, des traces et indices ne s'envolent pas. Euh, nous avons l'habitude, nous techniciens, de dire que la scène de crime est, périssable. Donc plus on perd du temps, plus on perd la vérité. Donc euh, avant que nous, on ne soit déployés sur le terrain, euh, l'idéal serait que les agents premiers intervenants, les premières forces de, défense et de sécurité sur les lieux nous posent ce qu'on appelle un gel de lieu, euh, à même de conserver les traces et indices sur la scène. Maintenant, nous, quand nous venons, nous mettons en œuvre un protocole qui est le même partout pratiquement dans le monde. Et à travers ce protocole, nous arrivons en tout cas récolter les, traces et indices qui sont nécessaires à la manifestation de la, vérité. La prise en compte de, la scène d'infraction, d'abord c'est quoi euh, une scène d'infraction et comment se fait cette prise en compte D'accord. Euh, globalement, euh, généralement on parle de scène de crime. et quand on dit scène de crime, c'est au sens large du mot. Euh, la scène de crime, c'est la scène où une infraction a été commise, qu'elle soit de manière de, délictuelle ou bien criminelle. Donc on parle de scène de crime, la scène de crime. Maintenant, c'est le même protocole qu'on soit sur une scène de crime ou bien euh, proprement dite ou bien une scène de, délit. Donc euh, quand nous venons sur la scène de crime, nous avons un protocole que nous déployons qui est enseigné de façon homogène à tous nos fonctionnaires donc qui en quatre étapes. Donc euh, la prise en compte, euh, la fixation des lieux, la recherche et la matérialisation des traces et indices, le prélèvement et le conditionnement. Et donc la prise en compte, c'est la première étape euh, de mise en œuvre du protocole qui consiste à venir, quand vous venez sur la scène de crime, vous faites une observation visuelle de la globalité de la scène et ensuite vous regardez s'il y a des témoins, Peut-être que parmi les curieux, il y a des témoins clés qui peuvent vous aider eh, par rapport euh, aux faits qui se sont déroulés. Capitaine euh, Yakuba, parlons de la recherche et de la matérialisation des traces des indices, fixation des lieux. Qu'est-ce qu'un indice Trace également et citez-nous quelques exemples. Oui, eh oui, merci. En fait, euh, ici, quand on parle de, de la matérialisation de traces et indices, parce que surtout quand on parle d'indice, c'est toute chose qui tend à démontrer un fait sans pour autant le prouver. Donc c'est ça euh, un indice. Et la trace, c'est une suite d'empreintes ou de marques que laisse le passage d'un être ou d'un objet sur une scène de crime. Alors, donnez-nous un exemple. Un exemple, par exemple. et de trace. Un indice, ça peut être euh, une arme, ça peut être un couteau, donc ça, ça constitue un indice. Et la trace, ça peut être euh, des traces de chaussures, des traces de sang qui sont laissées sur euh, une scène de crime. Alors, euh, comment procède-t-on à leur recherche On procède à la recherche de ces traces et indices de plusieurs façons. Parce que de un, il faut adopter avoir une méthode, une méthodologie de travail. Parce que si on arrive sur une scène de crime, on ne se met pas directement, comme l'on veut, à, la recherche des traces. Il y a des méthodologies qu'il faut utiliser. Comment utiliser ça par rapport à la configuration de la scène d'infraction. Donc, les techniciens, ils ont leur propre méthodologie d'opérer, donc de recherche de traces et indices, donc qui peut être visuel, parce que là, à vue d'œil, on peut les remarquer sur, euh, sur la scène d'infraction, ou qui peut être mené à l'aide de certains nombres de produits. Par exemple, sur une, trace, euh, sur une scène d'infraction de crime, dans une chambre où un crime a été commis, donc le monsieur a été tué après la scène, le corps a été dégagé, la chambre a été lavée à grande eau. Donc euh, ici, on a des moyens par lesquels on peut prouver les traces de sang un exemple de moyen euh, Le moyen, par exemple, on a un produit qu'on appelle le Blue Star. Le Blue Star aujourd'hui nous permet de déterminer la présence du sang dans un local, même si euh, ce local a été lavé à grande eau. Alors, que veut dire fixer les lieux Fixer les lieux, ça veut dire fixer les lieux, ça veut dire immortaliser les lieux. Donc, quand on arrive sur une scène d'infraction, la première des choses, il faut fixer. Donc quand on arrive à, par le moyen de la photographie et par les moyens des plans et croquis. Donc une photo, faire la photographie des lieux, la photographie des traces et indices qui s'y trouvent dans la, la scène d'infraction. Donc il faut les fixer à l'aide de la photographie. Donc là, quel qu'en soit Alpha, on a euh, ce qu'on appelle l'album photographique, euh, la l'album photographique qui est établi et qui est transmis au juge. Et chaque indice est fixé et représenté donc par une photographie et les plans. Donc quand on arrive, il y a le plan de situation et le plan d'état des lieux. Combien de temps peut durer une enquête Une enquête, elle peut prendre autant de jours que possible parce que tout dépend maintenant du directeur d'enquête des éléments qui sont retrouvés. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre travail en tant que euh, technicien PTS, c'est de rechercher les traces indices que nous mettons à la disposition des OPJ enquêteurs, maintenant qui, par la suite, eux, continuent leurs investigations par les auditions et autres. Euh, Monsieur Franck, parle-nous de la détection des faux documents. Exemple euh, de faux documents. Oui. Donc euh, les types de faux documents qu'on peut rencontrer euh, dans tous les pays du monde d'ailleurs, ce sont les documents de voyage, euh, principalement les, passeports, d'accord, ou parfois même les permis de conduire. Je sais qu'au Niger, vous avez des affaires de, faux permis de conduire. Donc les faux documents, il faut bien distinguer deux choses. Dans le cadre de la fraude documentaire, c'est pareil, c'est du vocabulaire, mais je vais vous l'expliquer. C'est la falsification en différence avec la contrefaçon. Voilà. Alors la contrefaçon, c'est euh, quelque chose qui va être copié de manière identique à un original. Vous voyez, on va prendre du papier et on va fabriquer un faux passeport ou un faux billet de banque, du début à la fin. La falsification, vous allez prendre un passeport authentique et par euh, substitution de la photographie de la page d'identité ou par grattage de la date de naissance ou la date de validité, vous allez changer une donnée. D'accord Donc voilà. Et il y a une troisième forme de fraude documentaire qu'on appelle la fraude à l'identité. Et celle-ci, elle est bien plus maligne que les deux premières parce que, en fait, les documents sécurisés, les documents administratifs que l'on trouve actuellement en circulation euh, un peu partout, comportent de nombreuses sécurités qui rendent très difficile la contrefaçon ou la falsification. Alors les criminels ou les délinquants, qu'est-ce qu'ils font euh, Ils font des faux documents qui permettent d'obtenir les documents administratifs. Par exemple, pour obtenir un passeport, vous aurez peut-être besoin d'un justificatif de naissance, justificatif de domicile, etc. Ces documents-là, qui vous permettent d'obtenir un document identique, comportent très peu de sécurité, notamment au Niger. Un extrait d'aide de naissance nigérien comporte très peu de sécurité. Donc il est facile d'en faire un faux et de faire toutes sortes de faux justificatifs pour obtenir un vrai passeport. Les différentes méthodes pour détecter euh, les différents faux documents. Alors euh, ça, c'est en fonction des sécurités. Il se trouve qu'un document euh, dit administratif est fabriqué avec un papier appelé papier fiduciaire. Voilà, papier fiduciaire, c'est aussi le papier qui sert pour à faire les billets de banque. Il a une particularité en comparaison d'un papier classique sur lequel on écrit tous les jours, c'est que ce papier-là, il ne réagit pas aux ultraviolets. Vous voyez cette lumière euh, de couleur violette, euh, lorsqu'on la projette sur un papier classique, vous, vous, allez voir que ça va flasher en violet ou en bleu. Quand vous projetez cette lumière-là sur un document sécurisé, passeport, billet de banque, carte d'identité, la réaction sera neutre. Voilà. Et ce papier-là, qui sert à fabriquer des documents administratifs ou des billets de banque, on ne peut pas s'en procurer. Il est vendu uniquement pour des professionnels. Le capitaine donc euh, Yakuba, le prélèvement des traces, euh, des traces technologiques, ordinateur, téléphone, clé USB, comment, pourquoi, dans quel cas est-il utile d'exploiter les informations de ces appareils technologiques Oui, par rapport euh, aux traces technologiques, parce que depuis 2014, les unités de police et de gendarmerie nigériennes sont dotés euh, des kits d'extraction de données technologiques. Parce que pourquoi Dans un passé très récent, sur des scènes d'infraction, on arrive à retrouver des téléphones portables, des ordinateurs, des clés USB, des cartes mémoire qui, retrouvés sur le terrain, ça revient dans les mains des enquêteurs. Ils ne savent quoi faire. Mais depuis 2014, aujourd'hui, grâce aux efforts de nos partenaires de Cap Sahel, ces unités de policiers de gendarmerie ont été dotées de ces kits et ces kits nous permettent d'extraire d'énormes renseignements qui sont mis à la disposition des, officiers de police judiciaire et par la suite au niveau des magistrats. Parce que on peut faire des extractions sur des téléphones portables, sur des cartes mémoire, des clés USB, des disques durs d'ordinateur des disques durs externes, dans le but de recueillir tous les renseignements s'y trouvant. Ça peut être sur un téléphone portable, par exemple, tout ce qui est contact, tout ce qui est appel entrant et sortant, tout ce qui est SMS, même si ceux-ci ont été effacés, le système nous permet de les restaurer entièrement et ça nous permet d'extraire les messages audio, les messages audio les photographies, les vidéos, sur des GPS par exemple, ça nous permet de d'extraire les différentes positions, les différents renseignements qui ont été introduits dans ces GPS. Dans les, sur, au niveau des disques, euh, des disques durs, tous les renseignements qui sont inclus, aujourd'hui nous sommes en mesure d'extraire ces renseignements et de les mettre à la disposition de la justice. Et ce qui fait une avancée formidable aujourd'hui pour la justice nigérienne. À la demande de qui une enquête est ouverte euh, Par rapport à l'extraction des données. Aujourd'hui, sur euh, une scène de crime, une fois que les techniciens PTS ont fini l'exploitation d'une scène de crime, tout ce qu'ils ont récupéré comme indice, ils le remettent à l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire saisit le, les différents services, soit le laboratoire de police technique et scientifique, soit la division du fichier central, pour, par réquisition pour avoir l'exploitation de ces supports. Une fois que la réquisition est envoyée à ces structures, on vérifie d'abord la conformité de cette réquisition. Une fois qu'elle est conforme, on procède à l'exploitation de, de ces supports et les résultats de ces exploitations sont communiqués aux, demandeurs accompagné d'un rapport circonstancié d'exploitation technique. Mon commissaire, à, quel moment euh, peut-on faire la reconstitution d'une scène de crime Alors, la reconstitution, en général, c'est les juges d'instruction qui demandent de faire une reconstitution pour mieux euh, cerner les contours de l'enquête. Vous savez que les juges d'instruction eux-mêmes sont des juges enquêteurs. Donc souvent, euh, même si euh, tous les renseignements le sont fournis à travers les procès verbaux, euh, souvent ils ont du mal à se faire une idée du déroulement des faits. Donc ils peuvent demander une reconstitution sur la scène de crime et en ce moment on amène tous les acteurs sur la scène de crime et on essaie, de se faire une idée exacte de comment est-ce que les faits se sont déroulés. Et c'est là que vous voyez l'importance de la fixation des lieux dans notre protocole. Parce que comme le capitaine l'a dit, quand vous faites une photo, vous faites un plan de situation, vous immortalisez la scène. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, la scène de crime, elle est périssable. Dix jours après, vous revenez, peut-être que le bâtiment n'existe même plus. Mais si vous avez figé, vous pouvez faire des représentations, vous pouvez voir les, vous avez fait la photo, vous savez les positions relatives des objets les uns par rapport aux autres. Donc en ce moment, le juge d'instruction va se faire une idée plus claire. Et avec les auditions, avec les interrogatoires, il peut se faire une idée extrêmement précise en présence du suspect notamment. Alors euh, concrètement, est-ce que ici euh, <laughs> à Niamey ou au Niger, vous avez eu affaire à euh, ce genre de choses C'est exactement comme ce qu'on voit dans les films C'est exactement ce qu'on voit dans les dans les films, mais moi, euh, avec ma petite euh, <laughs> expérience euh, dans le domaine, je n'ai pas vécu moi personnellement euh, ces genres de reconstitution, mais j'ai eu la j'ai eu la chance d'être une fois sur une scène de crime avec en tout cas toutes les autorités concernées, et notamment le procureur qui est, qui est un juge, même si c'est, c'est, il est là pour les poursuites. Et c'est également très important pour le procès, la reconstitution. Ça va permettre d'expliquer précisément aux jurés à qui le dernier mot revient, eux, ils vont se faire une idée parce que eux, ce sont des profanes. On leur explique avec des mots simples, voilà ce qui s'est passé, avec des photos à l'appui, tout est clair dans leur esprit. Même s'ils n'ont jamais été sur les lieux, en tout cas, ils seront en mesure de comprendre le déroulement des événements. Mon capitaine, euh, et vous, est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience Oui, euh, par rapport à la reconstitution des faits, j'ai été témoin et même acteur de cette reconstitution. Alors, racontez-nous, il euh, s'agissait du quoi Il y avait eu un accident de la circulation routière mettant euh, en cause des forces de l'ordre. Donc, euh, au cours de cet accident, il y a eu des constatations de la brigade de gendarmerie de Conny. Les constatations étant faites, euh, arrivé à la résidence, il y a eu des remous un peu partout, les forces de l'ordre que nous sommes, d'autres ont jugé utile que non, les forces de l'ordre avaient raison par rapport à l'accident. Il y avait un véhicule qui était garé hors de la chaussée, qui n'avait rien à voir avec la voie de circulation qu'ils ont voulu impliquer. Et nous, on a eu à faire les constatations et ayant fixé les mhm. lieux au préalable, une fois rentré, on a fait notre compte rendu au juge du tribunal de Kony et ce dernier a jugé utile de revenir sur le terrain. Nanti de nos constatations, il était venu directement sur le terrain. Donc, il a fait lui-même la reconstitution et qui était à un millième de centimètre près de ce que nous avons eu à faire. C'était à peu près combien de jours après C'était. Euh, L'accident a eu lieu, c'était au crépuscule, ça a eu lieu, et c'était dans la matinée, au cours de la journée que cette reconstitution a eu lieu. Parce que déjà, le chauffeur avait bougé le camion, il l'a amené au niveau de la brigade de gendarmerie de Conny. Et en ce moment, le magistrat a demandé à ce que le véhicule soit remis en place. Et nous, avant de quitter, après l'enquête, on a pris soin, sachant que l'implication de ces forces, on a eu, on a pris soin de matérialiser l'emplacement exact du camion. On a demandé au chauffeur de ramener le camion. Et le chauffeur était venu placer le camion à l'endroit exact où le camion était stationné. Donc à l'arrivée du magistrat et en présence de toutes les autorités, les forces de l'ordre, il y a eu la reconstitution et les gens se sont rendus compte effectivement le camion n'y était pour rien. Quels sont les, résultats significatifs obtenus ici ou ailleurs euh, grâce à, ces méthodes révolutionnaires mon capitaine, vous avez toujours la parole. Oui, euh, aujourd'hui, les résultats auxquels euh, nous sommes parvenus, c'est dans le cadre, par exemple, de la recherche des traces technologiques. Ça a permis aujourd'hui à la justice nigérienne d'élucider beaucoup d'affaires qui, dans le temps, on ne pensait pas qu'ils étaient restés toujours classés. Et c'est ce qui a fait l'engouement de certains de nos magistrats aujourd'hui qui font le plus souvent recours à ces méthodes d'extraction des données, que ce soit au niveau du laboratoire de la police technique et scientifique, au niveau de la division du fichier central de la gendarmerie. Aujourd'hui, les demandes ne font que tomber par rapport à l'exploitation de ce support électronique. Quels sont les défis à relever à court et moyen terme par vos différents services dans le contexte actuel du terrorisme de grand banditisme, euh, de trafic d'âmes, de drogue et même euh, d'êtres euh, humains. Monsieur Franck. Oui, donc notre mission, elle n'est pas pérenne. Voilà, un jour on va partir. donc on a une unité qui est chargée de la politique de durabilité au sein de la mission. Et notamment, cette unité, en collaboration avec mon unité, l'unité des compétences techniques, celle qui est composée des experts, euh, on est chargé euh, d'établir des mallettes pédagogiques. Ces mallettes pédagogiques, euh, on les transmet à nos partenaires. Des, mallettes pédagogiques Alors, une mallette pédagogique, c'est une mallette qui définit une formation du début à la fin. Voilà, avec les objectifs, avec les outils qui permettent d'enseigner, avec les PowerPoint, les exercices qui seront effectués, les, les, cas pratiques, tout ce qui concerne la formation du début à la fin. Voilà. Et euh, donc euh, on établit ces mallettes. Euh, ensuite, ces mallettes, les forces locales se les approprient en y ajoutant ce qu'ils veulent, en les modifiant selon leurs particularités, les particularités locales. Et donc ensuite, nous formons des formateurs locaux, voilà, avec l'aide de cette unité politique de durabilité. ensuite, nous mettons en place des formations avec ces formateurs locaux D'ailleurs, vous avez avec vous euh, deux excellents formateurs locaux, euh, le capitaine Zaria et le commissaire principal Mustapha Taïrou. Ils forment régulièrement, dans le cadre de, stages organisés par ECAP Sahel, leurs fonctionnaires et leurs militaires. Euh, pourquoi Parce que lorsque l'on partira, au moins, nos partenaires locaux seront en totale capacité de continuer à former leurs agents. Euh, mon commissaire, euh, donc par rapport à ces défis à relever euh, à court et moyen terme. par rapport aux défis, ce que je dois vous dire, c'est que vous savez que nous sommes dans un domaine qui est relativement neuf, que même les forces de défense et de sécurité souvent ignorent. Donc le premier défi, il est interne, faire en sorte que nous, policiers, nous, gendarmes, nous gardes, nous approprions ces nouvelles méthodes d'investigation parce que c'est maintenant, euh, il est très intéressant qu'un crime soit résolu parce que maintenant, avec nos petits moyens qu'on a actuellement, c'est pas évident que toutes les affaires soient résolues. Donc nous, notre ambition, euh, c'est vraiment que les affaires soient résolues pour que les victimes, en tout cas, puissent euh, avoir un reconfort moral. Donc Commissaire, quand vous parlez de petits moyens, qu'est-ce qui manquerait, même si ce n'est pas une liste exhaustive Ouf, c'est une vaste question parce que, vous savez, euh, nous sommes dans un domaine qui coûte très cher. Les appareils coûtent très cher. On vous parle de technique. Donc, il faut du matériel technique. Et souvent qui coûte très cher et qui n'est pas disponible ici au Niger. Il faut l'importer. Quand vous devez prendre une mallette euh, de France pour l'amener, euh, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Parce que vous allez acheter, vous allez transporter, vous allez dédouaner. Avant que ça n'arrive dans votre laboratoire, ça va vous coûter beaucoup. Donc, nous sommes dans un domaine qui est assez cher. Et vous savez que nos moyens sont très limités. Euh, nos autorités font, des autorités, notre hiérarchie et les autorités politiques font de leur mieux et nous profitons pour les remercier. mais bon, euh, on fait au mieux euh, pour avoir des résultats par, par rapport aux moyens que nos autorités et nos partenaires, notamment ECAP Sahel, mettent à notre disposition. Vous avez des représentations à l'intérieur du pays ou c'est juste à Niamey Oui, nous avons des représentations dans toutes les régions, toutes les antennes IJ. Nous avons des antennes qu'on appelle antennes IJ, antennes identité judiciaire. Donc c'est eux qui s'occupent notamment pour vous illustrer de l'établissement des cartes d'identité dans toutes les régions. Vous savez qu'aujourd'hui, pratiquement chaque commissariat euh, établit des cartes d'identité. Donc, c'est nos personnels qui sont dévoués à cette tâche dans les régions et dans les départements. Mon capitaine, euh, un dernier, dernier mot avant la fin de cette émission sur, bien sûr, hein, les, défis et si vous avez d'autres choses à ajouter. Oui, en fait, euh, sur les défis, les, mes deux prédécesseurs ont tout dit par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, les défis pour nous, aujourd'hui, c'est d'amener euh, nos personnels nigériens à pouvoir nous prendre tous en charge. Parce qu'aujourd'hui, avec l'aide des partenaires, hein, par exemple de Cap Sahel, par rapport euh, aux formations qui ont été données. Donc euh, les gens, on, arrive à relayer ces formations euh, au niveau, local, donc au niveau des unités à l'intérieur du pays. Ces formations sont en train d'être étudiées au niveau du, personnel. Et on est en train de mettre en place, par exemple, au niveau de, de la gendarmerie, dans toutes les unités territorial de gendarmerie, ce qu'on appelle des correspondants en identité judiciaire, qui sont euh, chargés des techniciens qui ont en charge la gestion des scènes de crime, la gestion des scènes d'infraction. Donc, dans le temps, on n'avait pas ces techniciens, mais aujourd'hui, ces techniciens, c'est devenu une réalité. Et avec le matériel, le peu de matériel qu'on a, aujourd'hui, on arrive à faire davantage, à donner satisfaction à nos enquêteurs et aux magistrats. Et on a l'intention, avec l'aide des autorités, aujourd'hui de pouvoir aller plus loin pour permettre la résolution rapide de certaines affaires. Aujourd'hui, compte tenu euh, de la montée en puissance du terrorisme, donc vraiment, euh, on doit tous y mettre pour pouvoir euh, élucider dans le plus bref délai certaines affaires afin de créer une certaine confiance entre euh, la population et les différentes forces de défense et de sécurité. Et justement, par rapport à cette euh, population, est-ce que vous sentez que cette population est, vraiment consciente du travail de cette police technique et scientifique Est-ce que vous avez eu peut-être à faire des enquêtes par rapport à, à, cela. Effectivement, euh, euh, la population commence à prendre conscience de l'importance de la police technique et scientifique. Parce que pour preuve, il y a 3-4 ans de cela, aujourd'hui, quand il y a un support électronique qui a été trouvé sur une scène de crime, ce support ne peut pas être exploité. Mais aujourd'hui, on peut remonter, on peut exploiter un téléphone portable, aller des appels entrants, des messages qui ont été effacer, on peut les restaurer et mettre les délinquants devant leurs responsabilités. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Et beaucoup de nos concitoyens qui ont eu à approcher nos services vraiment s'en félicitent quand même de cette avancée. Monsieur Franck, euh, euh, tout à l'heure, euh, dans vos différentes interventions, on a noté quand même que ECAP Sahel participait énormément à la formation de cette police. Et par rapport aux, moyens, je parle de, de matériel. Est-ce que ECAP Sahel aussi prend en compte cela Oui, bien sûr, c'est ce que j'appelle les projets. Euh, c'est une grosse partie de notre mission. C'est-à-dire que souvent, nos formations, elles sont accompagnées de sessions de matériel. Parce qu'il ne suffit pas de former euh, le personnel local euh, aux techniques de recherche et de relevé de, tracés indices sur les scènes d'infraction s'ils n'ont pas les moyens de le faire à l'aide de, matériel. Donc la mission a régulièrement fourni du matériel soit basique pour rechercher des traces et indices sur les petites scènes euh, d'infraction, mais également fourni du matériel euh, de plus haute technologie, comme euh, ce que disait tout à l'heure le, capitaine, les mallettes qui permettent d'extraire les données téléphoniques. c'est un, un, exemple, et qui ont fait leurs preuves concernant leur efficacité depuis, depuis la fourniture. on a transmis également du, des produits un petit peu plus pointus. Vous avez parlé, euh, capitaine, tout à l'heure euh, du Blue Star euh, autrement appelé le luminol. Donc c'est ce, liquide qui permet de révéler les traces de sang même effacées sur les scènes de crime. on a transmis un appareil qui permet aussi de détecter sur les incendies d'origine indéterminée l'origine du combustible qui a provoqué l'incendie. Qu'est-ce qu'on a transmis également dernièrement On a transmis euh, des produits un peu plus spécifiques pour rechercher des traces euh, à l'aide de procédés euh, physico-chimiques comme ce qu'on appelle la cyanoacrylate. La cyanoacrylate, en fait, c'est de la superglue. Hein. Et il se trouve que cette colle, lorsque on la chauffe dans un environnement humide, elle vient se déposer sur les crêtes laissées sur des objets. Voilà. Donc toutes sortes de matériel qui permet et moyens techniques de relever des traces euh, des traces latentes, des traces qu'on ne voit pas à l'œil Mon commissaire, euh, peut-être une dernière euh, question. Est-ce que vous vous intéressez, je parle de la police technique et scientifique, au trafic de personnes, par exemple à Agadez oui, le trafic de personnes est l'un des volets de la criminalité, en tout cas les plus visibles actuellement. Donc nous sommes bien impliqués dans ce volet parce que euh, vous savez que les trafiquants de personnes, ils ont développé des stratégies pour euh, échapper au contrôle. Donc très souvent, vous allez voir, euh, c'est des appels téléphoniques camouflés que les gens utilisent pour se faire envoyer de l'argent. Maintenant, les, migrants, ils ne transportent plus d'argent sur eux. Ils ont des correspondants partout où ils arrivent. C'est un numéro de téléphone qu'on leur donne. Donc ils appellent la personne pour que la personne mette à disposition l'argent et se faire rembourser à l'origine. Donc c'est dans ce cas-là que vous allez voir, par exemple, l'utilité des mallettes X-Series qui vont nous permettre d'extraire tous les numéros de téléphone dans un téléphone et de croiser avec les différents appels qui ont eu lieu. C'est pareil pour les trafics d'armes C'est pareil pour les trafics d'armes. Chaque arme a un numéro et une identité unique. Donc, chaque fois qu'une arme est impliquée dans une infraction, euh, si on a le numéro, euh, les douilles, euh, les projectiles, on peut faire des comparaisons pour faire ce qu'on appelle, arriver à ce qu'on appelle un rapprochement d'affaires. C'est-à-dire, si l'arme a auparavant été utilisée sur une scène de crime, on pourra dire cette arme-là, c'est la même arme qui avait été utilisée sur telle scène de crime. C'est la fin de cette euh, émission. Retenez que la police euh, technique euh, et scientifique contribue énormément à résoudre des, enquêtes à, travers, bien sûr, un travail soutenu par ECAP e Sahel à travers des formations, aussi la contribution en matériel mais le gouvernement ou d'autres partenaires sont appelés à plus contribuer à aider la police technique et scientifique à faire euh, davantage son excellent travail. Fidèles auditeurs, c'est la fin, je l'ai dit, de cette émission. J'étais en compagnie de Franck Fortin. Il est expert de la police technique et scientifique pour le compte de ECAP Sahel Niger, avec euh, également le commissaire principal de la police, Mustapha Tahirou, directeur de la police technique et scientifique euh, de Niamey, avec aussi le capitaine de gendarmerie Armeri, Yakuba Mahman Zaharia. Au micro, c'était Diallo Maria Makenda, réalisation Boubacar Diallo, à la partie technique Tawé Hassan. Au revoir.